amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du chômage au Niger et voir comment les jeunes chômeurs vivent cette situation. Au Niger, où la population est majoritairement jeune, le manque d'emploi constitue un défi de taille. En 2023, l'ANPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, a recensé 51 847 demandeurs d'emploi, soit plus de 40 000 hommes et plus de 10 000 femmes, contre 48 794 en 2022, soit euh, une augmentation de 6 Et cette hausse concernent à la fois les hommes et les femmes. Privé des repères temporels pour structurer son quotidien, le chômeur se retrouve souvent face à l'oisiveté, l'angoisse et un profond sentiment de vide existentiel. Quelles sont les raisons du chômage au Niger Comment les jeunes chômeurs vivent cette situation Quelles conséquences peuvent avoir le chômage sur la vie d'un jeune C'est à toutes ces questions que nous allons répondre. Et pour conduire le débat ce soir, nous sommes avec Abdelwahab Soumana Seini, qui est le président du Conseil régional de la jeunesse de Niamey. Bonsoir à vous et bienvenue dans notre FADA. Bonsoir, merci. Et à côté de lui, nous avons Hassan Aougi, qui est le président de la commission juridique hein, Exactement. du Conseil régional de la jeunesse. Tout à fait. Et euh, nous accueillons aussi euh, dans cette FADA Karimot Sidi Sadou, qui est la coordinatrice du réseau Jeunesse Politique Afrique de l'Ouest, le RJPO. Bonsoir et bienvenue à vous dans notre FADA. Merci et bonsoir. Moi, je suis Fanta suis à la technique, c'est Abdelkader Tchombiano masauraran mu yau a cikin fadar tamu da ta da zango a nan tsakar cikin conseil regional de la jeunesse na babban birnin yamai za mu tattauna ne akan matsalolin da suka shafi rashin aikin yi ga matasa da farko za mu ji waɗanne dalilai ne ke sa samun aikin yi na yi wa matasa tsauri ensuite euh, nous allons parler de comment les jeunes vivent cette situation de chômage da ƙarshe za mu ji cikin wani irin hali ne rashin aikin yi kan iya jefa matasa ya sai trois défis sentez-vous libres chers invités euh, d'en rajouter au cours de notre fada comme je le disais dans la première partie de notre émission, nous allons évoquer les raisons du chômage. Mais avant, je vais donner la parole au président du Conseil régional de la jeunesse de Niamey, wanda muke tare Abdulwahab Soumane petite situation du chômage à Niamey. Euh, bonjour. Bonjour. Je voudrais déjà vous remercier pour euh, l'effort d'éveil de conscience à travers votre émission Tous à la Fada, qui mhm. est très suivi d'ailleurs par euh, la jeunesse. Et euh, très sincèrement, j'apprécie le fait que vous accordez une importance particulière par rapport aux initiatives des conseils régionaux, communaux et même départementaux. C'est un bilan assez satisfaisant si on pourrait le dresser. Par rapport à la situation du chômage ici à Niamey. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plus de 51 000 demandeurs mhm. au niveau national. À Niamey, nous avons plus de 24 000 pour l'année 2023. Donc majoritairement hommes. Et si on prend euh, sur 10, euh, 7, c'est-à-dire 69% des jeunes de Niamey sont au chômage. Sur 10, euh, 7 sont ni à l'école, ni en emploi et ni en formation. Sur 10 jeunes Sur 10 jeunes. 7 sont assis à la fada, <laughs> comme l'intitulé de votre <laughs> émission. Cette soirée, <laughs> voilà, to ba iri dai puisque euh, irin zama fada an san da ba kamar à c'est pas c'est pas tout le temps que des bonnes choses voilà exactement exactement, donc euh, par rapport aux demandeurs d'emploi au niveau de l'ANPE euh, sur 100 demandeurs Seulement 18 ont été appelés. Et là, ce sont les gens qui parviennent à NPE la grande majorité des chômeurs que moi ou des sans-emploi que moi j'ai ici à Niamey euh, ne connaissent même pas la route de l'ANPE. Donc là aussi, euh, je profite, voilà, je profite un peu pour euh, lancer un appel à travers l'ANPE de maximiser la communication pour que les jeunes là, puissent être euh, au courant des opportunités à ce niveau. Merci, Président, pour cette situation en résumé du chômage à Niamey. Ce qui m'amène à ma seconde question. Alors, quelles sont selon vous les principales raisons Déjà, sur le système. Comment abu ne da zo mu eh, generation kin mu puisque kun san da da eh, kamar iyayen mu kahin ma su yi da lakol sun san inda za su aiki eh, lokacin kunce da zuwa baya ma kahin ma mutum ya ida university kin an san da minister da zai taya aka zo mu lokacin mu on s'est retrouvé avec une inadéquation de l'offre d'emploi avec nous notre formation c'est-à-dire abun da muke koyo lakol in mun zo neman aiki ba shi muke gani ba balle ma a dauke mu kun gane chaque année plus de vingt mille diplômés sont éjectés du système éducatif. 20 000, Kunsanda, 20 000 étudiants, 20 000 diplômés à travers les concours et consorts. Donc, du coup, on se retrouve avec une multitude de jeunes diplômés, mais qui n'ont pas de débouchés. Parce que, tout simplement, euh, ce qu'ils étudient à l'école n'est pas en rapport avec ce que l'État peut offrir ou bien les entreprises. Kogowani et Karatung, je prends juste un exemple, euh, relations internationales. Vous allez trouver peut-être 1000 diplômés sont là. Relations internationales, Imba, affaires étrangères, bah, euh, Très peu d'entreprises privées recrutent dans ce domaine-là. Vous voyez un peu. Mais comme c'est la diplomatie, les gens aussi veulent se euh, mettre en costume, dire que non, ils veulent être ambassadeurs, ils veulent mettre. Mais le domaine, l'offre est très minime par rapport à, aux jeunes qui sont formés dans ce domaine-là. Donc c'est un peu ça la difficulté. Si je prends aussi dans le domaine technique, un jeune, comment on dit que kishirwa a bashi brodi, an bashi on an mis ça ko an bashi, mais est-ce que a un résoudre kin problème kin C'est ça, <laughs> on forme les jeunes. Oui, <laughs> exactement. vous êtes la coordinatrice du réseau jeunesse politique Afrique de l'Ouest. Karima, selon vous, comme le président a déjà évoqué euh, certaines raisons, comment on est D'accord, considérons déjà le fort taux de chômage qu'on a déjà enregistré et tout. Moi, je pense que il faut voir euh, un réaménagement dans les secteurs. Aujourd'hui, je pense qu'il faut déjà penser au développement. C'est important. Il y a beaucoup de jeunes qui, qui ont l'engouement, qui sont réellement motivés à travailler, qui ont, qui ont les compétences, qui ont les capacités, mais qui n'arrivent pas à les mettre au service et au développement du pays. Maintenant, que faire C'est ça la question. Et pourquoi ils n'arrivent pas à les mettre Parce qu'ils n'ont pas l'opportunité Oui, parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Les opportunités ne s'offrent pas du tout. Le secteur est très coincé. Il n'y a pas assez d'ouverture, surtout pour les jeunes. Nous le savons tous, les, jeunes sont considérés comme la majorité de la population. Mais est-ce que la majorité là arrive à occuper des postes I don't think so. Bien, merci euh, Karima pour votre contribution. Et dans notre FADA, nous avons aussi Hassan Aougi qui est président de la commission juridique institutionnelle je suis au Conseil régional de la jeunesse nigérienne, région de Niamey. Monsieur Hassan vous venez d'écouter les deux interventions des deux autres participants de notre FADA. Euh, le président a parlé et Madame Karima aussi a parlé. ils ont plus parlé dans le sens de la fonction publique il faut aussi noter aussi qu'il n'y a pas que la fonction publique concernant le chômage ou bien le, le recrutement, il y a aussi l'entrepreneuriat de la jeunesse dont on peut aussi réélever certains problèmes qui sont dus au, à, l'accès, au manque d'accès au financement de la jeunesse nigérienne. Par exemple, euh, un jeune qui veut entreprendre dans l'agriculture, par exemple, il lui faut au préalable avoir des terres cultiver. Mais aujourd'hui, au Niger, quand vous partez dans la sous-région, ou bien quand vous sortez à Niamey, parce qu'à Niamey, on peut dire qu'il n'y a pas de terre cultivable. Donc vous partez dans les villages, même si vous êtes de la famille, vous n'aurez pas accès à certaines terres pour cultiver. C'est-à-dire, même si vous dites que vous voulez, on va, on va vous refuser. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc, il y a aussi le manque de financement, l'accompagnement de la jeunesse nigérienne vis à -vis des banques par exemple, si vous voulez aussi entreprendre, vous voulez des financements, vous allez aller vers les banques, on va vous demander quelque chose que vous n'avez jamais eu. Imaginez un jeune chômeur qui est là, il y a un exemple là-bas, il commis. a des papiers de parcelles pour, euh, pour avoir des financements et même ça qui en a par exemple moi aujourd'hui je n'ai pas de parcelle pour aller donner pour avoir des financements donc du coup il y a tout cela qui s'ajoute à ce qu'ils sont en train de dire. Ah bon, je pense qu'on va arriver à certains points après. Ouais, dans la partie solution, Inch'Allah. Merci euh, à tous pour votre contribution. Wa matasa masu sauraron wannan shirin namu na mu hada fada sanin ku ne a cikin wannan shirin mukan baiwa 'yan matan studio Kalongo fili inda suke kawo mana karin haske akan babe da dama musamman ma kalamuran da suka shafi. Mata a cikin filin nan nasu kenan mai suna da La Rubrique Rose. On écoute et on revient. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. En Coucou les filles, comment allez-vous Aujourd'hui, dans notre coin dédié aux filles, on va parler du stress. Le stress provoque parfois ce que l'on appelle une boule au ventre. Celle-ci est en fait la traduction d'une grande angoisse. Voici comment la faire disparaître naturellement. Le stress, quels sont les symptômes D'après l'Organisation mondiale de la santé, le stress est un fait d'inquiétude ou de tension mentale causée par une situation difficile. Il s'agit d'une réponse humaine naturelle qui nous incite à relever les défis et à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Chacun éprouve du stress dans une certaine mesure. Toutefois, la façon dont nous réagissons face au stress fait une grande différence pour notre bien-être général. Parlons de la boule au ventre. C'est ainsi une expression familiale qui désigne en vérité une grande angoisse. Cette dernière se fait traduire par une sensation physique très désagréable qui peut entraîner des réels troubles digestifs. Le stress peut aussi se manifester d'autres manières comme des maux de tête, des douleurs corporelles, des troubles du sommeil, une perte d'appétit ou au contraire un appétit plus important qu'à l'habitude une augmentation de la consommation d'alcool, de tabac ou de substances nocives, de l'anxiété, une dépression, une accélération du rythme cardiaque, des problèmes de concentration. Chacun ressent et vit le stress différemment. La boule au ventre. Il existe quatre façons de la soulager. Première solution, il s'agit d'une technique de relaxation qui permet de prendre conscience de ses émotions. Elle peut nous aider à prendre de la distance avec ses angoisses et cette fameuse boule au ventre. Deuxième technique. Il s'agit d'une technique pour chasser ses émotions négatives. L'écriture aussi permettra de réduire son stress tout en développant une manière compréhension de soi-même. La nature. Sortir prendre de l'air permet de calmer l'esprit et le corps. Si votre angoisse persiste, n'hésitez pas à consulter un professionnel, un psychologue pourra en effet vous orienter et vous accompagner pour faire diminuer cette anxiété. C'est tout pour la rubrique rose. Dès ce soir, les filles, on se dit à demain pour d'autres bons plans. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Just a little bit of alcohol, a little bit of cigarette. I'm already singing bird, I'm already continental, international. I'm killing it, you know, I put the fire. Now me be the full come, couple up or solo one. Pressure no fi catch, uh, fully loaded cash. When they see me coming, they say with it bad, oh, oh, oh, you loud, you loud, you loud, you loud. iwájú tẹ́ńdó gbé bá dùn olórí ikú kò lọ́ fẹ́ dùn torí mo kú lọ́mọ kú tán kò jẹ́ kó dá mọ́ mọ́lẹ́kàn. Bottom, bottom, bottom, bottom, bottom. am but i crazy nigga. Black on black, Elea. Mash it back on Shelea. Energy like a star. Something like a bastard. The Fulani like Shokoto. Bodily called Jekoto. Mm, I'm gonna quit Marapa. I think I'll Taliban. She say I fuck with so many boys like they know and bro that in minute. What that in minute? What you do infinity? Yeah, I can like what I check on Jack Simon down. I ought to pay the car. You need to light a bake up and your back. Only that like what to love. I see no be on point. I'm already calling another. Voilà mes jeunes, c'était euh, la rubrique rose euh, du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada. Indayo a nan filin siège du Conseil régional de la jeunesse na babban birnin Yamai. Muke ci gaba da tattauna akan maudu'in mu na comment les jeunes euh, Vive la situation du chômage au Niger. Ma première question pour cette deuxième partie, comment les jeunes vivent ces situations de manque d'emploi. on Ça, c'est une très bonne question parce que euh, nous, au niveau du Conseil régional de la jeunesse de Niamey, euh, en tout cas, il ne se passe pas une journée où on ne reçoit pas de jeunes qui sont à la recherche d'opportunités. Mm. La situation est devenue très compliquée, complexe, vu qu'elle est multiple et multiforme. On se retrouve dans une situation où on ne sait qui aider, soit les jeunes diplômés ou les jeunes entrepreneurs ou même ceux qui n'ont jamais d'esprit c'est-à-dire les jeunes techniciens. Voilà. Donc actuellement, on n'a pas du tout d'ouverture, si vous voulez, à proposer. Nous encourageons nos jeunes à aller plus vers la formation, le perfectionnement, le renforcement de capacité. Mais nous, au niveau du conseil, il n'y a pas euh, vraiment, si vous voulez, un programme adéquat. C'est vrai, c'est en perspective, mais pour le moment, euh, la situation de la jeunesse de Niamey en matière de chômage est complexe par manque d'opportunités entrepreneuriales. Surtout, j'aimerais euh, m'apaisantir sur ça vu que je, maîtrise un peu le domaine. Aujourd'hui, un jeune euh, qui débute une activité, les autres l'ont dit, c'est très difficile déjà pour acquérir le fonds de démarrage. Fonds de démarrage acquis difficilement. Et là aussi, la clientèle, parce que le pouvoir d'achat de façon globale de la population de Niamey a diminué. Vous savez, avec les sanctions qui ont été imposées de façon au Niger n'ont pas facilité du tout euh, le, développement économique des jeunes, surtout de Niamey. Donc du coup, le pouvoir d'achat est en baisse, la productivité aussi va en pâtir. Et là, on débute l'activité, il y a les taxes à payer, il y a les impôts à payer, il y a beaucoup d'autres engagements qu'il faut obligatoirement, disons, accueillir abunda dole ne in ka fara business da zaka kudin haya kudin eh, lantarki wuta ko akwai kuɗin ruwa akwai tax na impo da na merima duka akwai yadda ake biya to tunda dai babu kuɗi cin gari yanzu kowa sani kowa na ji kowa na gani ana cewa babu kuɗi cin gari to in ka fara sana'a ma da chat ma ka samu abun da zaka biyan haya ma balle ka samu E, benefits kin shi wanda za ka ci gaba wanda za ka ci gaba sana'ar taka na gode sosai da wannan taka gudunmuwar abdulwahab bari in karkato wajen malam hassan eh, malam hassan kun ji yanzu abin da abdulwahab ya faɗa cikin fadar tamu game da harkan masana'antu da matasa ke son su girka darin kalubalen da suke fuskanta a wannan bangaren alors selon vous comment les jeunes vivent cette situation de manque d'emploi comment les jeunes vivent cette situation ou plutôt comment on vit cette situation en tant que jeune bah je sais pas comment vous le dire mais on le vit d'une manière catastrophique, sincèrement, parce que aujourd'hui, euh, nous, en tant que jeunes, on a l'impression d'être délaissés par le système, par la génération. Parce que si on a l'impression de regarder, en tant que jeune de mon âge, j'ai l'impression que et eh, notre génération, c'est-à-dire on prend de 1980 à 1990 jusqu'à 2000, cette génération est en train d'être sacrifiée. dû au manque d'emploi, par exemple ici, on est, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se, qui veulent se marier, donc euh, on ne peut pas s'engager. Quand je dis jeunes, je parle des hommes tout comme des femmes qui ont atteint l'âge 30, 35 ans, 32 ans, 33 ans jusqu'à 40 ans qui n'arrivent pas à se qui n'arrivent pas à se lancer dans le mariage. Et on espère que ça ça va changer. Et, je suppose que le souci, ce n'est pas que le mariage. Non, ce n'est pas que le mariage. <laughs> on, veut aussi contribuer, sincèrement, parce que quand on regarde euh, les pays qui sont développés, ils se sont plus, ils, sont développés grâce à leur jeunesse. Parce que quand il y a une, génération, une nouvelle génération, c'est cette génération-là, c'est cette génération qui est plus consciente de la génération dans laquelle elle se trouve, qui est plus apte à développer leur pays plutôt qu'aux anciennes générations. Aujourd'hui, quand on prend l'ancienne génération, on voit nos parents, sincèrement, ils sont en arrière, ils sont très, très, très, très en arrière pour l'année 2025 quand même. Mm. Donc, euh, sincèrement, pour que le Niger puisse aller devant, je pense qu'il faut plus euh, tourner les regards vers la jeunesse nigérienne surtout. Karima, Karima, vous venez d'écouter euh, l'intervention de Hassan. Oui, notons déjà la, situation et l'ère dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes en période de transition, une euh, période assez spéciale où je dirais une période de souveraineté comme le disent les Nigériens. Nous saluons déjà l'initiative de souveraineté dont tout se proclament. Mais moi, je pense que cette ère doit être l'ère où on doit impliquer les jeunes. Pendant beaucoup de temps, on n'a pas impliqué les jeunes. Les jeunes, sont délaissés à eux-mêmes et tout. Aujourd'hui, nous, nous connaissons tous les statistiques du taux de chômage et tout. Mais moi, je me dis, avec les capacités des jeunes, si les jeunes sont impliqués, plusieurs secteurs ont été ouverts. L'agriculture et tout, le développement se fait aussi par, par les routes, par, par toutes les infrastructures qu'un pays doit avoir. Et disons que, les jeunes, là, on doit leur donner les opportunités, leur permettre d'avoir leurs droits et de, de, pouvoir mettre à profit leurs acquis, leurs compétences et tout. Oui, euh, on a très souvent l'habitude de le dire, euh, toute initiative pour les jeunes, ça les jeunes et contre les jeunes, mm. forcément. Tant que les jeunes ne sont pas impliqués dans les instances, si vous voulez, de, prise de décision, ça va être difficile qu'on puisse aboutir à un résultat optimal euh, surtout concernant le développement socio-économique de notre pays. Merci à vous. Oui, Karima, vous voulez ajouter autre chose J'allais dire qu'il faut d'abord, d'ores et déjà, recenser les mots qui font que les jeunes ne sont pas impliqués. Mhm. Mais aussi, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous, les jeunes, nous, ne partons pas à la quête d'opportunités. Aujourd'hui, on a nos diplômes, mais la plupart reste à la maison pour attendre que les opportunités viennent les trouver. Mais ça ne se passe pas comme ça, je suis désolée. Aujourd'hui, la NPE, on a accusé la NPE de ne pas faire de la communication. Mais nous-mêmes, jeunes, là, est-ce qu'on part réellement vers la NPE Beaucoup savent que, honnêtement, beaucoup savent que la NPE est là. Mais peut-être par manque de communication ou, on se dit que tous tes parents, amis et connaissances et tous les gens, les gens ne sortent pas de leur maison pour aller chercher les opportunités. Et ça aussi, c'est d'autre part un réel blocus. Il ne faut pas attendre qu'on vienne nous trouver, mais au aussi, nous aussi, en tant que jeunes, nous devons sortir. C'est vrai que les opportunités ne nous sont pas offertes, mais est-ce que nous, on pas cherché l'offre Vous êtes d'accord, Hassan C'est vrai ce qu'elle a dit. Euh, il y a aussi le fait, la réclamation d'une expérience incroyable. Je pense qu'il faut recadrer certaines institutions vis-à-vis de la réalité de la jeunesse nigérienne. On prend exemple sur les ONG et beaucoup d'institutions privées. Quand ils, font des, quand ils font leur demande de recrutement, ils demandent des expériences de 10 ans. Moi, si on enlève 10 ans dans mon mon âge, j'ai pas encore eu mon bac. Donc euh, c'est incroyable. Donc s'ils veulent seulement travailler avec les anciens, qu'ils le disent. Mais aujourd'hui, le Niger appartient à la jeunesse parce que c'est un pays jeune, parce que le pourcentage en termes de jeunesse est supérieur aux, autres pourcentages. Donc du coup, 77%, c'est ce qu'on appelle un coup KO de la politique. Donc du coup, on doit réformer ces genres de, de demandes parce que c'est décourageant. Même si vous partez à l'ANPE, vous voyez une demande où on dit 10 ans d'expérience. Pourquoi je vais déposer C'est la je Voudrais, je voudrais appuyer par rapport à ça. Il ne faut pas, il faut pas, c'est pas. On est à la FADA, je pense qu'on est, on est bien placé pour dire les choses euh, comme euh, elles sont. Mhm. Il y a aussi, c'est pas qu'il n'y a pas de l'emploi, à hein, zéro. C'est pas comme s'il n'y a pas d'opportunité. Moi, je, voudrais plus, euh, que ça soit même dans l'entrepreneuriat ou à la fonction publique ou même dans les institutions privées ou internationales, il y a cette pratique de parents, amis et connaissances et alliés même maintenant, alliés politique avant, quand, à l'époque des politiques. C'est-à-dire le jeune, avec tes compétences, avec ton diplôme, des fois même l'expérience qu'il faut. Tu vas euh, soumissionner ton dossier, on va même t'appeler faire interview, mais à la dernière minute, tu vas voir c'est quelqu'un qu'on a pris. C'est l'enfant d'un tel, le neveu d'un tel, euh, le fils du DG ou bien. Et c'est même s'il n'a pas les mêmes capacités. Même s'il pas, ça c'est clair, même s'ils n'ont pas les mêmes capacités. Oui, non, c'est des choses aujourd'hui. Moi, je suis sûr et certain que la majorité des jeunes demandeurs d'emploi ont été au moins une fois confrontés à ce genre mhm. d'injustice. Mm Où tu sais que fisibi de lai, wanga aikin, kaima yan dauke kana Kaman profil kin ka ne. Euh, demande, demand, offer ma in ka dauke shi ma sai ma ka azada. Sai ne aka dauka Tellement ça cadre avec ton domaine. Mhm. Mais in aka sai ka ga wanda aka dauka ba shi kamata a dauka ba ko ba kai aka dauka ba umunsa a dauki wanda ya hika wannan dai ka san dai okay experience kinka ne bai baka ba daidai ne amma sai a dauki wani dan wane dan eh, partin wane haka haka a zo a ba su aiki haka ake wannan on sai on sai ça exist et continue sa ça continue même

pyjama que je ne marre, mon frère. Le pyjama qu'il est tard, ma soeur. Le pyjama que je ne marre, mon frère. Où que tu sois, ici même ou quelque part. Dis-toi qu'aujourd'hui ou demain j'aurai ma part. Lève ta tête et regarde l'image du ciel. Le jour, soleil, soleil et la nuit, c'est les étoiles. Après la pluie, c'est le beau temps qui s'entale. Inspirons-nous de ce mystère naturel afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite fille, remercie Seigneur car il a toujours aimé tout ce monde d'ici bas. Tu vois le gars quand elle va t'appuyer les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du septième ciel. tu goûteras au bon goût du miel. Espère mon frère, garde vous comme on s'en taille. Machala, il ça de dire qu'on baille. Y'a que fascinant, il ça de dire qu'on baille. Machala, il ça de dire qu'on baille. Y'a que fascinant, il ça de dire qu'on baille. Machala, il ça de dire qu'on baille. Y'a que il ça de dire qu'on baille. Machala, il ça de dire qu'on baille. Y'a que il ça de dire qu'on baille. Stay wo si no nyeze arasa kufondo Irkoi wano Sifari gagoi Chechi koi Inganda dungo no hanfoi Sipai kanasi te Yalwaga matun gagoi Irmugabo sugai Irkotala no dirga Hey mugabo sugai Sugata no Gaugata na wa Hey Yeah man Wala in uwa matasa bayan mun shakata da wannan faifan zamu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na muhada fada akan maudu'in mu na wato matsalar rashin aikin yi da ababen da take iya haddasawa ga matasa. Troisième mai dernière partie euh, de notre fada nous allons parler cette fois-ci euh, des conséquences euh, du chômage sur la vie d'un jeune. Tambaya ta ta farko anan shine mi rashin aikin yi kan iya haifarwa ga wani matashi wanda ya ta nema ya kasa samu. To bismillah Abdul Wahab muna sauraron ku. Les conséquences du chômage chez les jeunes. tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai un peu fait la situation du chômage dans la région de Niamey qui, mhm. qui me concerne, où je disais 7 jeunes sur 10 ne sont ni à l'école, ni en emploi, ni en formation professionnelle. Cela veut dire qu'ils sont là assis, comme on l'a dit à la FADA. Maintenant, euh, le chômage, les conséquences, on le sait bien. Quand tu as la fada, tu fais rien. Munanan yau akwai shayi, babu shayi. Ana shi oga ya hito a ce dan wani farti ne shi ya hito cin haraibancin shi yazo kura kawai zai basu. Kun gane? Don irin wannan lega ma sai a zo <laughs> ana hawar irin su wani tunani. Bon, yau ko shayi babu, ya zamu Wani yana iya zawa ya eh, ya une maison où généralement la porte n'est pas fermée. Bar mu dan shiga tunda babu kowa mu ga yadda a shiga a zo a dauki tukunya a dauki midimi a tai a sai da a samu kudin shayi haka haka gobe a ce kai akwai wani motowa wanga ya kamata mu samu radio ga fadan mu akwai wani moto ya zamu a tai a sai da moton haka haka c'est comme ça jusqu'à la criminalité urbaine s'installe dans un mhm. pays la réalité la délinquance juvénile mhm. c'est comme ça c'est les conséquences directes du chômage parce que le jeune n'a pas de il n'y a pas de quoi faire, il n'y a pas de retombées économiques et il y a la frustration aussi, il faut le dire. Qu'est-ce qu'il y a on à Niamey là surtout Les jeunes sont trop frustrés. Les gens construisent. Comment tu vois un tonton Toi-même, tu sais. le, le niveau de ton papa et puis son niveau là, c'était pareil. Donc, ama Amma aino man shi kwana bi kwana uku. Gidan kuma sai zo ya ga yan babanka ya ne. Ba Allah ka gurguzo ka koma wani ka abun nan ka ne parking na donc il y a la frustration aussi qui est là maintenant mu ba mu repères. comment c'est quand tu fais rien tu n'as pas d'emploi que tu te mets à réfléchir sur la vie d'autrui vous conviendrez avec moi que quelqu'un qui sort à 8h qui va et revient à 18h30 il est fatigué est-ce qu'il a le temps de venir s'asseoir ou bien il a le temps de calculer la vie de quelqu'un. Il n'a pas le temps pour ça. Mais quand tu es là, tu fais rien. Tu vas voir et tu vas envier quelqu'un et tu vas te dire que tu vas devenir comme lui. Et au Niger, malheureusement, les jeunes n'ont pas de bons repères. Il n'y a pas de modèle des armes. Tu as Gachina Wanga, Kaman Dangote, Gachina Fils Bidil n'importe quel Richard de Fils Bidil Naine, Koudinchi, Neymane Yei, Koko de fonction publique ne Gachina Ba Wande Kamamishi, Yeshege stage, service civique, akabash Aiki, akabash nomination, Haye Zaman minista a bisa kan aikin shi a bisa kan gaske shi to kenan zaman banzan nan zaman kashe wandan nan vraiment consequence kin c'est surtout sur la zone de Niamey nagode Abdulwahab da wanga karin bayanin da kai mana a lokacin kake magana ina kallon Hassan yana ta girgiza kawa to ya amince 100% na shi da abin da kake faɗi <laughs> je suis parfaitement d'accord ça c'est garçon euh, C'est-à-dire, euh, il y a aussi le côté féminin dont on ne peut pas en parler en tant que jeune. C'est vrai que euh, des fois, c'est un sujet tabou parce que nous, les hommes, on peut escalader les murs pour aller voler. Maintenant, et côté femme, il y a ce qu'on appelle la prostitution non formelle de la jeune fille nigérienne. En un mot, les trucs de sugadadi, sugadadi. Donc, euh, Mais je pense que nos, nos auditeurs, Thomas Soraram, ce concept-là. Ok, le concept-là rejoint le fait que certaines ça donne à la prostitution avec les vieux en échange d'argent. De, d'argent Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ça une prostitution non formelle parce qu'elle ne s'arrête pas au bord de la route. C'est-à-dire, ça se passe plus sur le téléphone, ni vu, ni connu. Et cela freine certaines mœurs culturelles et certaines visions religieuses. Si la personne a un boulot, la personne va aller de 8h à 18h, euh, 17h30 à la maison, la personne n'aura pas le temps. Et puis la personne a de quoi subvenir à ses besoins. Donc euh, cela rejoint l'une des, des, conséquences du chômage de la jeunesse nigérienne. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens sont en train de quitter le pays dû au manque de travail. La migration et la fuite de cerveau. Oui, il y a beaucoup de problèmes qui rejoignent. Karima, et selon vous, quelles sont les conséquences euh, du chômage Ils ont parlé du milieu urbain, je voulais dire. Donc je pense qu'il faut aller aussi euh, en milieu rural. En milieu rural, quelles sont les conséquences Mais aujourd'hui, le, euh, je dirais les attaques terroristes, les, les, les, la délinquance même au village, c'est mhm. là et les, régions jeunes du village, il y en a qui sont impolis, il y en a qui ne vont pas au champ, il y en a qui ne vont pas au champ. Et après, c'est pour, pour être recruté par les GAN, euh, les, groupes armés non, étatiques, oui. Et aussi, euh, certains deviennent terroristes et tout. Ils sont là en train de créer des terreurs au sein des villages. certaines fois, il faut que il faut essentiellement comprendre que c'est pas que d'autres personnes extérieures qui viennent recruter les bandits, parce que moi je me dis si les jeunes n'arrivent pas à avoir. Euh, Donc je disais en milieu rural, les, les jeunes qui sont là, ils n'ont ils pas d'opportunité. Maintenant, ils se demandent comment faire même pour avoir de quoi manger. S'ils n'ont pas de quoi manger, naturellement, si quelqu'un vient leur proposer un petit 5 000, un petit 10 000, ils se font recruter pour devenir des bandits, pour, pour créer des terreurs à côté des villages, et eh, dans les villages voisins et tout. tout. Mhm. C'est ça qui accroît le fort taux de terrorisme, je me dis. Merci à tous euh, pour votre euh, participation. Avant de clôturer, nous allons d'abord écouter la chronique du jour. Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, la chronique parle du développement personnel. Le développement personnel renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents et potentiels, de travailler à une meilleure qualité de vie à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Le premier à avoir introduit le développement personnel dans les sphères professionnelles est Abraham Maslow. Il a proposé une hiérarchie des besoins représentée sous forme de pyramide, avec euh, au sommet l'accomplissement de soi, défini comme le désir de devenir de plus en plus ce qu'on est et de devenir totalement ce qu'on est en mesure de devenir. Les différentes leçons qui vont vous permettre d'engager un processus de développement personnel, réaliser son bilan personnel, intégrer les ressources de motivation du cerner les éléments de sa personnalité, établir son bilan personnel et professionnel pour le représenter à l'oral, apprendre à gérer son temps et apprendre à gérer son stress. Fixez-vous des objectifs. Hein. La définition d'objectifs est une étape essentielle du processus d'amélioration. Commencez par identifier les domaines de votre vie que vous souhaitez améliorer, qu'il s'agisse de votre santé mentale, physique, émotionnelle ou spirituelle. Une fois vos objectifs identifiés, créez un plan pour les atteindre. Le développement personnel en cinq étapes. Cherchez d'où vous partez. Identifiez clairement où vous souhaitez arriver. 3. Repérez les comportements à mettre en œuvre. 4. Définissez les étapes progressives. Et 5. Validez le chemin parcouru. En résumé, le développement personnel est un processus d'apprentissage constant pour amener une personne à devenir meilleure et accroître son potentiel. Amis c'est tout pour aujourd'hui. Gardien Espoir d'Emaël Ferrabo, Inch'Allah. Voilà, mes jeunes, c'était euh, la chronique euh, de l'émission Tous à la Fada de ce samedi. Haka ne ‘yan uwa matasa na muka kawo ƙarshen shirin namu na mahaɗa fada na maraicin wannan ranar Asabar, inda yau muka tattauna tare da matasa waɗanda suka samu halarta a cikin wannan fadar tamu. Kamar yadda kuka ji yau fadar tamu ta karbi bakuntar Wahab Sumani shine shugaban matasan jihar nan babban birnin Yamai. Notre deuxième invité c'était Hassan Augi, qui est le président de la commission juridique et institutionnelle du Conseil régional de la jeunesse de Niamey. Et dans notre FADA, il y avait aussi Karima Toussi Dissadou qui est la coordinatrice du réseau jeunesse politique de l'Afrique de l'Ouest, le RJPO. E. Tare da su mun tattauna akan matsalar rashin aikin yi da matasa ke fuskanta nan babban birnin Niamey sannan mun ji wa'anne dalilai ne ke sa samun aikin yi na yi wa matasa tsauri. Ensuite, nous avons parlé de comment les jeunes vivent cette situation de chômage. Da ƙarshe mun ji cikin wani irin hali ne rashin aikin yi kan iya iya jefa matasa a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma gobe idan allah ya kai mana rai inda za mu sake dawo muku da wannan jigon amma akan wani fanni daban kafin nan ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio kalangu masu salam